ban heure moo ko. il est quelle heure. vingt deux heures. vingt deux heures. en présence de son avocat. en présence de ses avocats. non non ay avocat rek lañu ak ay ak ay honorable ay avocat ak ay honorable ñoo fi. ah oui. oui oui. ok convocation bi. convocation la kay dañ la koy jox rek. c'est pour quand. bien réception. heure bi 22 heures. on a dit pour les conséquences, il n'y a pas de souci. On constate. C'est bon. Est-ce que je peux, est-ce que l'avocat peut regarder Non, c'est bon. Ou c'est le concerné C'est mon, c'est mon S'il vous plaît, est-ce qu'on peut lui remettre la là C'est l'heure non non non film dama koy niital film ko dama koy niital dama koy niital dama koy niital ko dama koy jaru ko Thank you. Você é bom, Juliano. É Você é bom. É, aqui. Olha, é, é legal. Gente, é seria do parque. Voilà, c'est bon. Non, non, non. C'est lui le candidat. Non, non, Une arrestation ou c'est une convocation C'est lui arrestation. Vous ne pouvez pas parler avec. Euh, c'est une arrestation. Voilà. Donc, il n'y a pas de mandat de conduite, il n'y a pas de mandat d'arrestation. C'est une convocation qu'on vient de lui remettre. Voilà, c'est bon. Convocation ou arrestation Essa aqui é comparedeira, seu senhor. Então, eu não considero. Não considero. Ele vem da feira lá, você tem uma prestação arbitrária. Não, não, não, Não Você Não en Não de Não avocats. Não il Não a Não avocats Não lui. Não y a ses Não avec Não Vous Não lui Não votre Não Hein? Não mais Não Non, Não non. Não mais, Não nous Não pas Não de Não Nous Não pas Não de Não Nous Não pas Não de Não on n'a pas vous avez le droit de l'arrêter aux heures normales mais à l'heure heures passées et puis il vient l'enlever à l'absence d'un mandat d'arrestation ni de mandat de conduite Maintenant, vous pouvez lui opposer votre force. On a toutes les waaw déglu leen ma yéen déglu leen ma yéen ñii nekk nii ah non. bokkuma coow. d'accord. non bokkuma coow. à ce que tes droits soient respectés. la violation Absolument. C'est pas bon Non, la loi, elle est faite pour être respectée. Et c'est en présence du secrétaire général du syndicat devant son bureau des et domaines. mais mais mais xoolal xoolal da ngay bàyyi ñu wax ak yow sinon da nga koy brutalisé bàyyi ñu wax ak yow mais d'accord waaw mais la loi aussi c'est la loi mais may ko waxtaan ak ay nitam aussi may ko waxtaan ak ay nitam non bàyyi ko day dem bàyyi ko moom ngeen day dem bàyyi ko rek C'est pas qui, c'est un cadre de l'administration. Il va pas fuir, c'est un responsable. Non, non, non, mais là qui C'est un cadre de l'administration. Il va pas fuir. C'est pas, un voyou, c'est pas un délinquant. Mais nous, nous, nous, nous, comme nous. c'est pas Non, voilà problème amuñu benn problème. bul ma laal bul ma laal bul ma laal bul ma laal. les Sénégalais la chassent. Ils sont en train de l'enlever. Bassirou Diomaye Faye vient d'être enlevé ici au niveau des impôts et domaines. l'avez enlevé, mais c'est bon. Ah, c'est bon, allez-y. Vous l'avez enlevé, c'est bon. N'importe quoi. Allons-y à la digue. Dis-moi au Sénégal, c'est ça, c'est ça le Sénégal. C'est ça le Sénégal. Mais c'est bientôt fini. Vous avez un mot à dire Non, mais c'est ça. On est en train de violer mais, les droits des citoyens dans ce pays, c'est ça la loi. On kidnappe un, fonctionnaire, on le kidnappe pour l'amener comme ça à la vie. À 22h, on y va non, Comme vous le voyez, la après que les heures de convocation soient dépassées devant son service à la direction générale des impôts et non non en face